Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un par Cine TV. Chers membres et sympathisants du Réunion de Fatigue commune, chers invités, et chacun en ses titres et qualités. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous rencontre une fois de plus pour discuter de notre avenir politique. C'est un plaisir car je peux témoigner à la face du monde de votre loyauté, de votre abnégation et de votre amour pour le Sénégal en général, et pour Fatik en particulier, ce qui vous a coûté 20 ans d'opposition depuis 2004. Lorsqu'à Fatik, la plupart de la population était avec le président Macky Sall, pourtant natif de la ville, nous avons choisi l'opposition car nous étions contre son projet de vassalisation de la population faticoise et de délaissement de la ville. Et l'avenir nous a donné raison, car après 12 ans de règne, aujourd'hui, Fatik est une ville où tout est à refaire. Aucune infrastructure ni tissu industriel. Donc l'occasion m'est donnée aujourd'hui pour vous rendre un vibrant hommage. Je suis très fier du fait d'avoir cheminé avec vous et du fait que vous m'ayez mis par modestie à la tête de la coordination communale à la suite de la démission du précédent coordonnateur. Maintenant, actuellement, nous sommes à la croisée des chemins. Ayant constaté que notre place n'est plus dans le parti Réuni... pour plusieurs raisons, dont deux fondamentalement, nous avons décidé de manière unanime de démissionner de ce parti. C'est un acte qui a été posé au lendemain des élections présidentielles, mais nous tenions à l'officialiser aujourd'hui pour qu'on y le l'ignore. Nous ne sommes pas là pour faire le procès du président Idrissa Sek, à qui nous voulons un profond respect. Mais cette démission, disais-je, a été plus motivée par deux choses entre autres. La première est que comment il a pu de 2019 à 2024 n'avoir fait aucune tournée nationale, et lors de la campagne présidentielle, au moment où les autres candidats ont sillonné tout le Sénégal, organisant des caravanes, et je rappelle que Idrissek, c'est lui l'initiateur des caravanes au Sénégal parce que c'est lui qui l'avait initié en 2000 avec euh, la caravane bleue. Donc au moment où tous les autres candidats ont sillonné tout le Sénégal organisant des, caravanes, non seulement ils se contentent de faire des porte à -porte, mais pire encore, il ne s'est limité qu'à la moitié nord du pays, nous laissant orphelins braver tout seul une très difficile campagne en plein mois de Ramadan. Lors d'un combat, personne n'est à l'abri d'une chute, mais on doit tomber les armes à la main. Deuxièmement, après avoir bravé toutes ces difficultés, et c'est là où nous avons eu du mal à lui pardonner, il n'a même pas pris la peine d'appeler les gens pour les remercier même un communiqué de presse pour remercier les membres et sympathisants du Réunis aurait suffi. Donc, toujours à la recherche de l'homme providentiel pour notre terroir, qui pourra nous aider à sortir fatigué de la situation très difficile dans laquelle elle se trouve, où la plupart des jeunes sont désœuvrés, la majorité sont conduits de Jakarta, et où les femmes ne sont contentent que des calbasses de quartier nous avons décidé à l'unanimité de soutenir le parti PASTEF les Patriotes dans ce combat pour un Sénégal meilleur et juste. Nous estimons que ce soutien est logique, car nous tous de l'opposition avions le même objectif, combattre le régime qui était en place et développer le Sénégal. Que nous constatons que le régime faire les choses comme on aurait imaginé les faire si nous étions élus. Donc, nous ne voyons pas l'utilité de nous opposer. Ce soutien est d'autant plus pertinent que nous sommes à la veille d'une élection législative où le régime en place a besoin d'une majorité pour pouvoir gouverner convenablement. Majorité que nous comptons lui donner dans Fatigue commune. Pour cela, nous ne ménagerons aucun effort pour l'atteinte de cet objectif. De manière plus personnelle, je peux dire que l'avenir de Fatigue vaut tous les sacrifices. Aujourd'hui, je suis à l'aise dans mon choix, car les Faticois savent que c'est Fatigue qui a été toujours mon combat. Cela m'a valu de m'être fait tout seul. Je n'ai jamais eu de privilège, encore moins touché un seul sou, ni de Macky ni de Idrissa c'est pourquoi, même avec la situation politique très compliquée du pays, je puis avoir le courage de ma démarche et d'avoir convaincu toute la coordination, en tout cas communale du Rémi. Je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à la coordination communale du pasteur de Fatigue, avec à sa tête M. Cher Bitey, pour l'accueil chaleureux qu'elle a eu la coordination à nous réserver dans le PASTEF. donc mbégte lay nekk toujours du lundi, 10. franchement wa réew fatigue. parce que quand même tay tay tay mun naa l'en, naa leen ne wax deug fay la ay jambar ngeen alal fekku parce que depuis dans le 2004 les mou def ñaar fukki a ngi opposition di ko c'est ce dara nous ko en tout cas ni Macky Sall Nous Fatick muy loo ne euh, gis-gis mais également bëggu leen ko aussi aujourd'hui parce que ku dugg Fatick président Macky Sall la a rien Fatick fii ni la ñu donc je également remercier franchement euh, ci àndandoo bi mais également ci wóolu gene ma wóolu woon ba jox ma en tout cas ma diriger euh, coordination communale bi di nga xamantene suñu camarade Diatara bàyyi won na ma ma ma diriger coordination communale bu réew mi. tey nag dañ yegg fo xamantene ne ah foog ñu xol suñu doxalin euh, parce que actuellement mom mën nañ né réew mi moom bokkatuñ fa bokatuñ fa pour pour pour ñaari mbir pour ñaari mbir benn moy mooy dañ seetlu né 2019 ba 2024 danaka Idrissa gënul Sénégal euh, gënul en tout cas deful tournée nationale gënul entre Thiès ak ak Dakar donc yow mënoo defoo loolu loo xamante ne c'était fondamental nga dem ba élection jot nit ñi nekk fi di def campagne di def caravane fu nekk ci Sénégal nu dugg fa yow ngay porte à porte yam a yem entre Thiès Dakar Saint-Louis ñoomin seen ba mu koy def aussi wax dëgg fa yàlla ñun comprendre ñu ko te loolu wax dëgg fa yàlla du looloo taxaw ñu accompagner ko beneen bi nag te mooy bi nga xamante ne wax dëgg fa yàlla man en tout cas bokk naa ci nga xamante ne loolu wax naa ko fu ne ci suñ panel yeeg yëpp moo man loolu mënuma ko ko baal mooy nit ñi mënuñ weeru koor jot ñu nekk ci naaj bi di dang-dangi sans aucun moyen di ko lijjante seen yëfi bopp kese parce que amuñu woon dara on daf ñu bàyyi ñu ñuy gérer suñ bopp ñuy dang-dangi dang-dangi même bu dee sax au finish wax dëgg fa yàlla mu bëggoon amu ko te loolu aussi c'était prévisible parce que xëy na ñun ñëpp opposition lañ ne woon mais amul kenn koo xamante ne amul na laam-laame ne euh, mu tëj pasteur day jël rew mi loolu moom amul kenn ko xëy na premier tour bee bett nit ñi mais moom pour jël rew moom il suffit il suffisait que Sonko soit dehors pour que la la chose soit actée te def na donc même bu nekkoon loolu sax mais da nga war a muyee la maillot waaw ndax aussi ah jàmbaar mooy daanu ci ci xare mais nag munoo dem ci xeex. Euh, nit ñi toog di la xaar ngay ngay def noo xamante ne wax dëgg fee la en tout cas ñun day rafetlu wuñ ko du pour def poosem nag parce que quand même Idrissa Seck c'est boo xamante ne bon nous la respectons quand mais nag lu ñu metti aussi dañu am en tout cas man du ma je ne poignarde pas dans le dos man du fi wax du du waxantu ci nit lu ma am pour wax la ko naa la ko wax su dee janoo nañ ma wax la ko su dee janoo wuñ aussi mun naa ko wax te la may wax sa gannaaw aussi bu jano janoo maag yow dama koy wax man noonu la fonctionné donc li néni moy li nga xamantene en tout cas mo ñu metti et jël nañ décision tay bàyyi parti réew mi dugg Pastef mo bëgg mu leer ñëpp et toute la coordination et toute la coordination communale de Fatick nak waaw gën nañ réew mi dugg Pastef ah dugg bi nag dafa dafa dafa dafa dafa dafa logique parce que aussi xeyna ñoo bokkon xeex bi parce que aussi ni ngeen doon xeexe peut-être forme do combat yee bokkul mais ni ngeen doon xeexe pour nguur gëli jogé ñun non lañ doon xeexe donc tay buñ démé ba mu am convergence d'idées aussi day nek sotti ci ak def rek ba paré nak ah ni ma koy waxé rek nit ki aussi bo xalaté né yow bo yégué bo jëlé rew bo yégué ni ngay doxalé moi je pense que voilà c'est ça c'est ça qui nous a motivé donc euh, euh, Pastef ñu la majorité euh, au niveau de l'Assemblée nationale donc li ñu ça vient à son heure parce que aussi campagne législative surtout bi ñu dem ni ah dafa son a donc moi je pense que il est important quand même nit faut que majorité à l'Assemblée nationale comme ça mu gouverner convenablement parce que au moment du bilan day en tout cas population bi duñ am dara aujourd'hui population buñ bëggé à 2029 duñ desel dara Pasteur moy ñu majorité à l'Assemblée nationale en 2029 ñu laaj leen des comptes parce que suñ ko deful aussi bu dee opposition moo jël euh, la majorité mais on sera en côté tiré bi fii 2029 donc li nga xamante ne moom la le projet en tant que tel war a def yëpp en terme de réalisation ak en terme de jub jubal jubanti soo tout mun na xaaw a parce que dina am peut-être ñuy nekk assemblée nationale au lieu nu mu tëddi euh, askan bi yëkkati leen éducation sur Cine TV santé sur Cine TV l'actualité sur Cine TV politique sur Cine TV sport sur Cine TV religion sur Cine TV culture sur Cine TV seen ay xibaar ci Sine TV